صففت لي رب البرية البدن هزات بعد من خلوني فتة صففت لي رب البرية البدن هزات فرد من خلوني فتة صففت لي رب البرية البدن هزات taala mbokk yi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di jël ziar bi di ko teg ki loxo suñu kilifa Cheikh Ahmadou Kara Sylla di ziar xalif général di ziar mbokku taalibe yëpp di leen ndokkal nag ci organisation màggalu Touba gi wax dëgg yi waajtaay wi amoon na solo euh, ubbi woon nañ ay jaayante yoo xamante ni macha allah mbokku taalibe yëpp ñu ci bëri bëri mooy le groupe des cent ñu ci bëri bëri jàppoon nañ ci jaayante ba participation tam daayira wax dëgg yàlla da ñëw nañ massivement donc li nga xamante fédération bi rek comme nañ ko waxee woon ay ati at fédération bi dafa ñëw ngir indiwaat beneen doxal doxalin bu bees donc képp ku wax fédération rek xam nga ne mooy lu lënkale am mbooloo am mbooloo nag boo leen di lënkale day am ab bii maanaam lu ko tax a jóg lan moo tax a jóg mbooloo mi mooy dañoo seet ne que bi kat mbooloo mi bari na lool personnalité yi bari na maanaam nit ñi euh, xëy na am am ami bu bu bu bu tolloo itam maanaam yéene ji yaatu na léegi nan lañ war a def mooy fexe ba doon ak benn benn gi nekk moom lay may wax mooy dañuy fexe ba dëkk bu nekk ña fa nekk créé lu tudd ab daayira donc ndax fédération bu ñu ko ay daayira moo gën a neex fédéré ak mbooloo ci kaw ci lañ tàmm nag di wër réew mi ay njukki ay Kaolack ay Dakar ay Njaareem ay Touba ay Pël Massas ay Mbarasaan ay Kër Ngaalgu ak dëkk yu bare bare dem nañ fa di fa jéem a monté ay cellules te yaakaar naa ne cellules yooyu bu monté depuis 2015 ba léegi ni ñuy doxalee nga xamante ne Magal Touba ji ngi participé progressivement chaque année day gën a yokk ndax magal gu njëkk ay 600000 lañ ci participé woon barkeloo woon màggalu daaw bi buñ mujjee def évaluation ñu ci participé 1 million 45000 donc dañuy xool ne bu ren bu ñu defee bilan normalement dañ jege 2 millions bu ko ëppul donc fédération bi nag dafa am ak sooxee gu ci am mooy ñu ñi nga xamante ne ñun ñoo ko bokk maanaam ñu ci war a jàppee dëgg dëgg dëgg des fois day des am na groupe boo xamante ni moom seen bakkan lañ ci teg am na ñoo xamante ni nag wax dëgg yàlla maanaam dafa mel ne dañuy xaar ku ñëw fëgg seen buntu ne leen kaay jàpp ci te yaakaar naa ne sëñ bi day war naa mën a jaral kenn ku nekk boo xoolee sa diggante ak moom nga xamante ne tàngam sa dara du ngénte du ceet du dëj loo xewle mu taal otom ñëw te it du la wax benn soxlaam bu ne noonu damaa bëgg yéen samay taalibe ngeen doon benn nas ci génn buum di xàccandoo di dóorandoo ñun suñ njariñ leen njëkk doon waaye noonu njariña sëñ bi ndax liñ fi def rek daanañ fekk sëñ bi daa daa ko def donc kon dara lu bees créé ñu ko fi xanaa kay fexe barkeelu ci liggéey ba nga xamante ne moom tamit dina yëg ne am na ay euh, ndongo yoo xamante ni wax dëgg yàlla am na fu ñu ko bëgg feete féete bëgg a gi rek dafa mel ni ci ñenn ñi dañ koy yombal rek ci ak màggal te màggal taxu ñoo jóg dëgg la sa waajur sax boo koy wàññi da nga koy njëkk a wàcce ci dépense ndax dépense boo ko mënta wàcce mënoo ko wàcce ci leneen waaye am nañ ñaaru gën a yaatu yooyu ndaxte depuis ba 2015 ba léegi seet nañ ne daanaka liggéey bu am solo bu buñ séntu ci kër gi bu yegg amagut te yéene yi am na fi ñu ko bëgg am na fi mais day am lu des maanaam volonté wu def gi daal dëgg-dëgg la ñuy xool dafa sooxe ñu am yéene ji dëgg-dëgg seen loxo jot seen ginnaaw donc ñi nga xamante ne nag suñu borom dimbali leen am leen kàttan nañ jàpp ci liggéey bi ñun ñëpp ñu nekk benn ba nga xamante ne force bi ñu war yaakaar ne ñun moom mu lay war a doon sëñ bi ñu mat ko ndax sëñ bu nekkee ci baax bi day fees dell ku ko gis man ci moom lu nekk waaye nag dañuy nag dafa mel ni ab teewaayam ñun lañ man waaye nag fu sëñ bi nekku daal day mel ni passif bi daal dafay xaw a dafay a wàññeeku loolu nag sama bopp laa ko ci jiitale di ci woo ñëpp di ñaan daal fépp fu waay mën di nekk ak foo mën di nekk ak koo mën di doon ak kilifa goo mën di doon ak euh, ndongo loo mën di doon rek nga xam ne yëf yi sa yëf la du yëf sëñ Modou Kara Sylla la ñun ñoo ci jariñoo waaye sëñ bi du ci jariñoo ndax sëñ bi mosuñoo xaar ci lenn te tey la ñuy xaar ci lenn donc ñun ñi nga xamante ne ñoo xool na yeneen kër yi sëriñ di doxee ñu bëgg suñu kër sëriñ doxee noonu wax dugg yàlla ñu war a takku doon wenn say fexe ba ay xalaat ay euh, xel ay suñu kàttan yëpp ñu def ko ci euh, liggéey sëñ bi ba nga xamante ne dañ tabax ay daara dañ tabax ay kër sëñ euh, mu dañ ko defal lu nekk lu nekk lu defal ab sëriñ rek bañ di ko yéem rek sëriñ bi mbooloo mën na ko te it moom mérité na waaye nag li ci des daal mën naa ne ci ñu la sa waaye bi donc ñu ñaan ñëpp ñu ci liggéey bi ba nga xamante ne ab ñu joll fu ñu tegoon suñu tànk rek bu déw ne ñu teg fu gën a kawe asalaamaaleykum wa rahmatullah di tuub di d'abord nous rendons grâce à Dieu donc euh, gloire à son prophète nous remercions également le Cheikh Ahmoud Bamba à ces remerciements nous associons notre guide vénéré Cheikh Moudou Karassile aujourd'hui nous sommes à Touba à Darou chez Cheikh Moudou Karassile pour célébrer le Magal de Touba donc, comme en Tanzanie et comme dans toutes les foyers religieux, donc nous, nous sommes ici en tant que disciples chef Mourou pour l'accompagner à célébrer ce Magal de Soba qui a été, euh, ordonné par le chef. Maintenant, quand il s'agit maintenant des talibés, nous avons une recommandation à faire depuis des années. Nous avons constaté qu'il y a des lenteurs dans notre démarche. Parce que depuis 2015, nous avons, créé une fédération et la fédération avait pour volonté d'abord de décharger le marabout des dépenses, mais aussi de poser des actes. Parce que jusqu'à maintenant, on est en train de décharger le marabout des dépenses. Je peux dire supposer. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pris les dépenses euh, de, manière globale. Donc ah, il y, a des coins où le marabout des c'est lui qui me dépend. Pourquoi Parce qu'il y a manque de moyens. Et des fois, si vous entrez dans, dans, la bâche là, vous voyez qu'il y a des centaines, il y a des centaines de personnes qui sont là-bas. Mais toutes ces personnes-là ne, se sentent pas impliquées dans le fonctionnement de la fédération. Et nous, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe Parce que le maravu nous avait donné d'abord des recommandations. Là, allez c'est les gens. On a fait des tournées à Nduki, on a fait des tournées à Kaola, on a fait euh, des tournées à Toba et tant d'autres villages. Maintenant, c'est aux gens de venir s'approprier de la fédération. Nous, on a prouvé des actes. Le marabout nous a félicité en nous disant que le fait de donner un milliard, le fait de donner milliard ne vaut rien si la personne n'est pas associée à la fédération. Donc, ce n'est pas l'argent qui compte pour lui. Ce qui compte maintenant, c'est le fait de ce que ces talibés soient unis. Moi, je peux, je, peux, le comprendre ainsi, parce que ce n'est pas les, les qui comptent. Mais jusqu'à maintenant, on essaie d'organiser des, des, et puis difficilement, hein, pour des vrai à part cette année où vraiment nous remercions l'ensemble des talibés qui ont contribué, de près ou de main à, la réussite de cette magal. Et sur ces remerciements, nous tenons à remercier les, euh, qui sont à l'étranger. Gambie, Gambie, par exemple, Côte d'Ivoire par exemple, mais aussi euh, Dakar, euh, Touba, et et tant d'autres. Ce que nous voulons, c'est très simple. Nous n'avons pas construit une maison pour Cheikh Moudoukara. Nous n'avons pas acheté une voiture pour Cheikh Moudoukara. Nous n'avons presque rien fait pour Cheikh Moudoukara. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de miser des magal. Et euh, ce qui ressort de cette magal c'est nous qui consommons cela avec nos invités. Donc jusqu'à maintenant, le marabout ne se sent pas vraiment, euh, comment dirais-je, n'a pas toujours l'impact direct de la création de, la fédération. Parce que la maison que nous avons commencé à, à Daro, presque c'est les 90% ont été contribués par la marabout. Nous, presque ce sont les 20% et c'est difficilement qu'on l'a eu. Donc maintenant, les gens vraiment qui ont les moyens, il faut venir vraiment appuyer la fédération. Parce que c'est une porte. Si nous voulons vraiment travailler pour le marabout, voilà une porte claire. Parce que nous, ce qu'on fait, on le fait avec son fils aîné, Cheikh Moudou Moussafa. Mais également avec son frère, c'est Moudou euh, euh, Donc, le marabout nous a mis entre les mains des gens vraiment euh, la confiance. Et avec des jeunes comme Baye Maintenant, nous, les jeunes surtout, moi je ne parle pas des vieux, mais les jeunes, si nous voulons travailler, on doit s'unir on doit finir quand on, Suisse, donc ce n'est pas pour l'intérêt du marabout, je le répète encore, c'est pour nous d'abord, parce qu'il y a des connaissances critiques, il y a des relations critiques et tant d'autres. Donc nous devons tout faire maintenant pour que vraiment construire une maison à Biwan, une, maison d'une de ce nom, je veux dire, et l'équiper, le marabout en vaut la peine. Mais également, nous devons acheter des voitures. le marabout mérite tout ce que le marabout a dans ce pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe c'est ça mon interrogation. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens qui ont les moyens, pourquoi les gens qui veulent vraiment euh, faire plaisir au Marabout veulent passer par d'autres chemins que par la fédération, alors que c'est une porte qui est à tout le monde donc vraiment j'appelle à, l'ensemble de mes connaissances à venir s'associer à la fédération parce que vraiment c'est une porte, encore une fois, pour travailler pour le Marabout. Donc nous remercions tout le monde. Vraiment, nous remercions également l'ensemble de l'État, parce que pour cette année, vraiment on a une satisfaction dans l'organisation du Magal. Et vraiment, on est tous heureux. Donc, félicitations à tout le monde et bon magal à tout le monde. Jérémy Chef Mouroukarasé. Également, je vais m'associer à, je vais associer à euh, notre site internet Divan Sire TV qui est en train de faire un travail vraiment incommensurable. Parce que quand il, quand s'agit de faire des actes, vrai que là maintenant, il faut les divulguer, il faut les propager. Maintenant, on sait très bien qu'on est à l'ère du numérique. Quand on parle de l'ère numérique, c'est l'Internet autre les marabouts que vous ils ont, ils ont des outils qui leur permettent de propager ce qu'ils font. Alors que nous, on est en train de faire de gros boulots, surtout nos marabouts. Les champs de khalko les, champs de Taufer, le travail qu'ils abattent à Darmoussi et tant d'autres. Mais qu'est-ce qui reste C'est de divulguer ça. Les gens connaissent le marabout par son nom. Mais maintenant, les œuvres, les travaux qui sont en train d'effectuer, de, maintenant c'est ignoré par le grand public. Pour pourquoi Parce qu'on n'avait pas pris à temps les pieds de, de, de, l'informatique pour divulguer ces informations. C'est pourquoi nous remercions l'agence de Divan TV, à l'occurrence pour ces Gamou, Karagamou, notre nouveau technicien, mais également M. Jim Touré, notre caméraman, et l'ensemble de, l'équipe de Divan TV. Euh, vraiment, nous sommes très contents de vous et nous vous accompagnons et nous souhaitons également que tout à vraiment, euh, qui, souhaite, qui désire euh, visiter le site,